nunca vou tous à la Fada du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans Tous à la Fada, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne. spécialement aujourd'hui, nous nous retrouvons à la foire nigérienne des Grillades, Fonigri. Beaucoup de monde ici, surtout les jeunes. Une belle ambiance avec de la viande rouge et blanche saine au menu. Flora, je te souhaite la bienvenue. Comment tu vas Promotrice donc de cette première édition Fonigri. Alors nous sommes exactement où, Flora Nous sommes au centre technique de la Fenifoot. Centre technique de la Fenifoot. L'événementiel au Niger, commence à marche Rabi Mapinom de Tous Fada s'est entretenu hier avec les acteurs sur la question. En premier lieu, nous avons le Festival international de la mode africaine FIMA qui a été créé par le styliste nigérien Alfadi c'était en 1998 dans le désert de Tigidit. Hormis Alfadi, nombreux sont les jeunes nigériens aujourd'hui qui se lancent aussi dans l'événementiel. Et oui, on le sait, les jeunes entreprennent de plus en plus dans le domaine de l'événementiel, un secteur d'activité qui tranquillement mais sûrement est en train de s'installer dans le tissu économique du Niger. Comment faire pour pérenniser le secteur Qu'est-ce qui bloque À qui incombe la responsabilité Pour répondre à toutes ces questions, moi je m'en vais profiter de l'occasion pour aller à la rencontre de certains promoteurs et acteurs événementiels, choper sur le lieu de la foire et discuter avec eux sur le thème. L'entrepreneuriat des jeunes dans l'événementiel, comment reçu dans le secteur au Niger. Vous le saurez tout à l'heure, hein, vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Un grand public ici à Folie. Est-ce que vous êtes là ce soir Oui Ah bah vous êtes présent. donc il n'y a pas de souci. Tout à la Fada, c'est 35 minutes euh, d'échange, 35 minutes de musique, 35 minutes de chronique, 35 minutes aussi de rubrique. Si vous êtes bien installé, amis jeunes, c'est parti pour 35 minutes d'échange. Nous sommes bien évidemment à la FENIFOOT. La FENIFOOT, c'est la Fédération nigérienne de football, le centre technique. Nos invités vont donc se présenter. Je le disais tantôt, nous sommes avec Flo. Flo, qui est Flo Ra. Ra, c'est mon surnom, sinon mon nom c'est frère Mahmoud Idrissa. D'accord. Je suis euh, la directrice générale de l'agence de communication Mandarin Niger. Mandarin Niger. Tranquille. Matkande Borfon euh, à ma droite, il va aussi se présenter. Bonsoir. D'accord. À qui avons-nous l'honneur euh, C'est M. Ibrahim Chebou, président du comité d'organisation du concours de Miss Niger 2020. D'accord, le président donc euh, du comité d'organisation Miss Niger Et avec nous. Je vous demande de, l'applaudir très très fort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. nous sommes aussi avec Ori Gigi n'est plus à présenter. Origigi, c'est le manager, bien évidemment, de l'artiste Maliaro. Origigi est aussi promoteur. Alors, Big Manager, nous te souhaitons la bienvenue sur l'émission. Bonsoir et tu suis le manager de Origiji Production. Je suis promoteur, promoteur. Organisateur, et producteur d'événements. Waouh, ça fait beaucoup, mesdames et messieurs. Un maximum de bruit pour Origigi, s'il vous plaît. Nous sommes avec euh, Araka Comedy Club, un jeune aussi qui est dans l'événementiel, chaque euh, mois, il organise des événements pour égayer le public nigérien. Il est jeune, il croit aux artistes, il a managé pas mal d'artistes ici au Niger. Et Ahmed Ousmane, c'est son nom. Ahmed, je te souhaite la bienvenue sur l'émission. Merci Dondi. Comment tu vas Ça va, ça va bien. Tout se passe bien Ouais, ça va. D'accord. Nous avons aussi avec nous une star. Zaza, comment tu vas Bonsoir, ça va. Tu, es en forme, Zaza Ouais. L'entrepreneuriat des jeunes dans l'événementiel, Comment réussir dans le secteur au Niger C'est notre sujet du jour pour ceux qui viennent de nous prendre en cours. La première question est destinée au comité d'organisation de l'élection Miss Niger. Il représente Joe la Production sur cette émission. Cher ami, on le sait, entreprendre au Niger est un gros challenge, surtout quand il s'agit de rassembler les gens qui paient pour divertir ou s'amuser. Alors, dites-moi, c'est quoi le challenge C'est quoi les difficultés Qu'est-ce que vous rencontrez comme problème dans ce secteur, monsieur euh, merci. Euh, dans le domaine précis, c'est-à-dire euh, celui de l'organisation de Miss, le problème crucial que nous rencontrons surtout, c'est celui-là même qui agit sur le social. C'est-à-dire que Miss Niger, une Miss au Niger, c'est déjà mal vu par le côté religieux, par la société. Donc, euh, c'est ce premier problème que nous rencontrons déjà. Euh, permettre à ces filles-là de, de, venir euh, se valoriser, c'est un problème parce que, à première vue, on pense que c'est de la nudité. On présente les filles toutes nues alors que ce n'est pas le cas. C'est difficile au Niger. Hein. Voilà. La Nigérienne, elle est toute belle. Mhm. Elle doit venir se faire valoir et se frotter aux autres. Parce que la sahélienne, vous savez, euh, de nature déjà, elle est très belle. Bien sûr. Alors pourquoi pas Bon courage à vous. Alors on va permettre bien évidemment à la promotrice de Akanaf de placer un mot en ce qui concerne le challenge, parce qu'on sait que ça n'a pas du tout été chose facile pour toi, mais tu as tenu et tu continues aussi à tenir. Alors on va parler un tout petit peu des obstacles aussi que tu as rencontrés, quoi. Parce que c'était un grand défi. Parlons de ce défi, Flora, sur l'émission. Merci Dondi. Donc euh, ces filles je pense que je, les l'ai relevé. Voilà. C'est pas facile d'organiser un événement au Niger, surtout quand on est une jeune femme, une jeune femme, Bien sûr. une jeune fille plutôt. Mhm. Voilà, les gens trouvent que, euh, tous les sponsors, mhm. c'est comme s'ils sont en train de jeter leur argent par la fenêtre parce qu'ils ne croient pas. Mhm. pour eux, on n'est pas capable d'organiser un événement mm, de grande taille. Pourtant, il y a des gens qui Oh, mais ça dépend. Ici, ici, dans nos fêtes, il y a les robots, juste faire autre chose, mais pas organiser un événement. Alors que quand on veut, on peut. Alors, Origiki, je reviens à toi euh, pour qu'on puisse ensemble, bien évidemment, parler de ce problème. Vous êtes dedans à fond, vous êtes promoteur, vous êtes producteur, vous êtes euh, euh, dans l'événementiel, pas aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un tout petit peu du challenge ben, Le challenge, dans un premier temps, c'est de définir les concepts des événements. Parce que un événement aujourd'hui, c'est le concept le plus important. Une fois que le concept est bien défini, l'événement sera bien vu et euh, tout le monde euh, prendra l'événement. Donc euh, voilà dans un premier temps. Ensuite, c'est par rapport à la, au changement de mentalité. Parce que, comme on le sait, changer quelque chose, il y a toujours un frein il y a toujours une résistance. Ce qui fait que euh, le Niger n'est pas un pays d'événementiel comme il se doit. Euh, chaque fois que vous voulez organiser un événement, il faut vous battre, il faut vous imposer. Et il y a, des coups de bâton, il y, a pas mal de choses, il y a des difficultés, mhm. parce que le chemin, il est long à faire. Mhm. Euh, si je prends l'exemple de la jeune promotrice euh, Fonigri, c'est vrai, un événement a besoin de soutien et de soutien de taille parce que toi seul en tant que promoteur, tu ne peux pas tout faire parce qu'il y a pas mal de choses. Il, faut forcément accompagné, c'est ça Exactement. Donc si vous avez des soutiens, si je prends par exemple euh, l'exposition, vous voyez euh, la logistique, les bâches, les chaises, y euh, les artistes, euh, les grilleurs, tout ça. Il faut de l'oseille quoi, bata. Voilà. Merci Zaza Mimosa, est-ce que nous femme des tabin de halaranga tonan karango parce que on kun déjà irbe karango organisatrice era masfal kan hinga bon c'est avec euh, les entrepreneurs oui les sponsors les sponsors oui donc hmm. euh, pour avoir des sponsors c'est pas facile ici aya okul waran se dar aranse des sponsors oui hey c'est pas facile wallahi parce que d'un quoi ils boiraient d'un quoi ils déposer euh, papier pour avoir les sponsors ils vont te dire de revenir après mm -hmm. demande 50 000 100 000 woni ya singa hay fo ber mais daran du 50 000 100 000 bora kul do agngar kateme wol mais man tabara kul do non gudu me par fo yango wonji non mi wi moru gibi same amadou souman londi andu wocin gune kan nugote haraka comedy club mhm. amedou suman mhm. et tu continues toujours à tenir il faut de que tu ne kra wala mo il faut de non go gudu wona wara ay wo ay se kra mm. dondi inga dagiti perseverance ay salama tigina cesar musandiga oh oh eh niya niya wala to niya niya niya bo abu niya da kokari niya bo budai no gaira oh donc wadi dai no parce que zaza ni chini seda sponsor ay man tahali ga kano yakin cina oh bidai directrice eh, promotrice ah, fonigri goga faman rabi émission bon quand d'engrais, ils sont timides, les, pro, les, les sponsors là. Ici, Ardano, sonda, sonda. To, hamagari gichim. Voilà, amma 15 mois bandakai. Ayman di, you know, I can no ndiga yoda. Mais inshallah iro kan boyar go daga kan irgate inshallah irgate borai go kai go guna manti go farha to iro iro iro murado go gite do L'émission Tous à la Fada, c'est aussi la rubrique. Nous sommes donc euh, cette semaine avec un artiste nigérien qui va s'exprimer. Tout ce que vous voulez savoir sur la musique nigérienne, sur nos artistes, c'est à travers cette rubrique. Et tout de suite, la suite. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, Sur la Fada l'artiste nous s'exprime. Vous, vous rappelez certainement de ce titan, de cette légende vivante. Hier, il était sur l'émission Franco Aoussa. Il nous a parlé du parcours du combattant. Phoenix Feno, René de Sessandre, nous le recevons une fois de plus sur l'émission Tous à la Fada pour parler non seulement de cette carrière, mais aussi de la nation. Il est élu le 12 août 2020 à la tête de cette association. Tout ce que vous voulez savoir sur la Nassim, c'est tout de suite et maintenant sur l'émission Tous à la Fada en la rubrique L'artiste s'exprime. Phenobi, Feno, a évolué au sein du mythique groupe de rap Kaidan Gaskia 1. Yarinya zomuiwasa zomirawa adasaiya kaikosa Samari, munasokaji bamusontaji ankali nima aisefa yo fenu on te la bienvenue Ah, merci, merci, merci, merci. Wala mana mano, ino kataya, gaye kana mayo ne wate, ne madeka nan amante tali, min wada chandi, wadda gabori. Yes. Mamana mano tunugama. Yo. Hey. Tun tunugama. Waramana mano tunugama. Hey. Tun tunugama. Waramana mano tunugama. Je ah. kiffe bien ce tarté, je vous dis. Eh, il donne à sous del gougou koi CCFN pour voir ces artistes, ils ont représenté vaillement les couleurs nationales. Kaidan Gaskia 2. a samariya ye ma sota e bani furu no waitaci a waitaci wala to ne bani furu feno bi fɛn san et puis ay don gun gune ay don ga hangan mo kinda zari irgo tabira tabo gaban gaba borai mazada Ah, il y a 20 ans de cela, pour rappeler, il a chanté C'est en 2001. Yo, pour donner plus de place à la jeunesse. Ouais, c'était en 99, on l'avait enregistré en 99. Et la jeunesse est tout simplement connectée sur cette émission. Vous allez avoir en tout cas tout ce qu'il faut sur la Nassim. Le René de ses cendres, Phoenix, Feno. Nous allons donc parler aujourd'hui de l'ANASIM. Il est élu, je l'avais dit à l'instant, le 12 août 2020. Parlons de l'ANASIM. L'ANASIM, c'est euh, c'est hum, l'Association nationale mhm. des artistes auteurs-compositeurs mhm et des métiers de musique. Alors on va expliquer un tout petit peu le contexte parce que dans les années 1988, donc euh, euh, à, la création de l'ANASIM, c'était euh, c'était pas au fait la même signification. Oui, à la création c'était association nigérienne des auteurs, compositeurs et interprètes de musique. De musique. De musique. Et maintenant, mhm. vu que le milieu s'est développé, mhm. et dans le milieu il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup de secteurs dans le milieu. Mhm. Donc il y a le secteur euh, promoteur, il y a le secteur DJ, il y a des secteurs euh, parce que il y a ceux qui font la musique, mhm. il y a ceux qui font marcher la musique, il y a ceux qui vendent de la musique. Donc on a réfléchi, on dit bon, pourquoi ne pas ouvrir l'association pour que tout le monde se retrouve et travailler pour la même cause. Donc, et maintenant, ça fait Association nigérienne des auteurs, compositeurs, interprètes et des métiers du on va donc parler de la mission en question de l'ANASIM, hein. euh, vos objectifs hein, sur cette émission pour permettre à toute cette jeunesse qui kiffe cette émission de comprendre le pourquoi de l'ANASIM. C'est important. Nous avons l'obligation de leur faire part de toutes ces choses. L'artiste fait non, On y va. Nous t'écoutons bon, euh, La NASIM, comme, comme tu disais, mhm. euh, l'association a été créée depuis 1988 euh, par Alajta et sa génération. Mhm. Nous, on était encore membres. on était encore on ne se voyait même pas dans le milieu artistico-culturel. À plus forte raison, venir prendre le relais. Mhm. donc l'association au départ c'était vraiment pour contribuer au développement et à l'épanouissement des acteurs aujourd'hui aussi, c'est le même état d'esprit qui nous anime. C'est le même combat et voilà quoi. Donc c'est le même combat qui nous a guidés depuis longtemps jusqu'à venir nous confier euh, la gestion de l'association. De l'association. Je vous ai suivi avec intérêt, j'étais aux élections. Je sais que, au fait, euh, euh, l'objectif premier en question de l'artiste, c'est de changer les choses parce qu'il faut se dire les choses. Hein. Il faut se dire les choses terre à terre. La, chose a du mal à décoller. Alors, est-ce que vous avez déjà des plans et des tactiques pour faire euh, avancer les choses pour que la euh, musique puisse nourrir son nom au Niger. Ça le fait, mais pas comme on le pense. La chose a du mal à décoller. La genre l'artiste nigérien ne se retrouve toujours pas comme on veut, euh, parce que beaucoup d'artistes aujourd'hui se plaignent en fait. Donc du coup, vous avez certainement beaucoup de choses à dire sur cette émission. Oui, ça c'est ma façon de voir Non, je suis d'accord avec toi, mais tu dans la vie aussi on dit, pour avoir ce qu'on n'a jamais eu, mhm. il faut faire ce qu'on n'a jamais fait. D'accord. Dans le milieu artistique, moi je pense que euh, nous, artistes, on se doit de comprendre que ce qu'on aime faire n'est pas forcément ce qu'on doit faire. Mhm. Euh, quand je, fais de la musique un an, deux ans, trois mhm. ans, je n'arrive pas à convaincre les gens. Je peux changer mon fusil d'épaule, je peux faire euh, la musique encore autrement, je peux réfléchir, je peux chercher une autre source de musique mhm. et essayer voir si ça peut marcher. Mhm. Ça, c'est juste des propositions qui me passent par la tête comme ça. Mhm. Mais quelque part, si euh, la musique nigérienne n'arrive pas à décoller, moi je pense que ce n'est pas parce que ça ne va pas décoller, mais c'est parce que peut-être que entre nous, on n'arrive pas à se regarder ou entre nous, on n'arrive pas à comprendre qu'on a, euh, qu'on a une identité à promouvoir et au lieu de promouvoir l'identité des autres. Donc on est là, on voit un artiste ghanéen fait quelque chose, tac, on kiffe, on prend, on va en studio, on fait la même chose, c'est seulement le texte qui change, mais rien ne change dans la musique et dans les flots et voilà. on le fait aussi pour ceux qui sont au Ghana, en Côte d'Ivoire ou au Nigeria. On est beaucoup plus dans la tendance, mais jamais dans la sur la bonne direction. Merci l'artiste Fenobi. Nous allons cette fois-ci parler des projets. Yeah court, ce que Arango dit Souba, moyen, sub et long terme de la NASIM Bon, euh, le, projet, euh, le projet pour Anassim, c'est d'abord euh, nous, dans notre mission, c'est d'abord l'unité, arriver à unifier euh, les artistes nigériens. Et maintenant, par rapport au, à l'avenir, hein, à l'avenir, il y a plein de choses qui arrivent. Mhm. on, va, on a des ateliers à organiser pour surtout 2021. On a des formations. On a aussi des, des formations pour euh, des créations de rythme nigérien. voilà quoi. On a plein de choses. Irto, nous vous donnons donc rendez-vous très très prochainement, eh, c'est-à-dire la semaine prochaine. Sur ce, Hatso de Covid. À l'instant, c'est l'artiste s'exprime hein, sur l'émission Tout ça, la Fada. Nous sommes toujours au niveau de la Fédération nigérienne de football, Fini Foot, pour donc euh, vivre la troisième et dernière journée du faux Nigri. Mesdames et messieurs, vous qui nous rejoignez à l'instant, c'est l'émission Tout ça la Fada nous sommes à la foire nigérienne des grillades Fonigri qui se tient au centre technique de la Fenifoot à Niamey. Nous sommes avec Ahmed Ousmane, promoteur de Araka Comedy Club. Nous sommes avec Origigi, l'original promoteur et manager de Origigi Productions. Nous sommes avec Zaza Mimosa. Nous sommes avec le comité d'organisation, le président du comité d'organisation de l'élection Miss Niger 2020. Vous êtes sur l'émission Tous à la Fada. Nous parlons de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'événementiel. Comment reçu dans le secteur au Niger c'est notre thème du jour. Abordons notre deuxième série de questions avec nos invités. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut comme stratégie au Rigiji To, eh, hayadai kan irgaci borai se gati denfuro hayara. Il faut que nous furon da ba kesinai zama haikul kan niman ba nibina bara nisihin du fondo aga zama goyo kan ni gite bure sin gin bana irman man wana origine eh zaza mimosa ine aran promotrice ta jewo daran ka fure événementiel ora bata dayno aran genne bata sonda sonda aran sibe mo kan il faut que aran mo gote goyon bori matuno no ndi sanno ga wallahi hay kan origine ci ci mi dayno wallahi parce que hon kuna gwai hanuno katunur mhm. da gwai hanu man te ya kai nur sika insha Allah to ay maani mais ni bay e kan way e boray e no nam kul kan no rogo ya way boray go no de donc on est obligé ah. de forcer euh, <laughs> donc aron aron des de sous aron go événement sur le bata aron go ajiji oh mais ergo bata chechimi et il ergo monsieur le président du comité d'organisation de l'élection Miss euh, Niger. On sait que vous avez une pression, vous avez aussi d'une manière ou d'une autre secoué par le social. Concrètement, Qu'est-ce qu'il faut comme stratégie pour que vous puissiez continuer dans ce que vous avez oui, euh, nous sommes. Est-ce que vous avez, vous, des plans Est-ce que vous êtes stratégique Est-ce que vous avez toujours la force de continuer Bien sûr, nous avons euh, cette dynamique-là de, continuer. Donc on ira, avec on ira, On ira jusqu'au bout. De toutes les façons, nous sommes là pour soutenir euh, toutes celles-là là, qui ont osé, qui ont eu l'audace de se présenter au concours Miss. Et elles sont venues euh, valoriser euh, la femme nigérienne. Donc nous allons les soutenir jusqu'au bout, euh, qu'elle soit belle, qu'elle soit vilaine. C'est celle-là qui représente sa région qui viendra et ce Jojo aux autres et nous, allons, euh, nous avons le droit de les soutenir jusqu'au bout. Vous êtes toujours motivé, vous avez toujours la force de continuer Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. La finale, c'est pour le 7, Inch'Allah. Et toutes les mises sont là à Niamey, présentement. D'accord. Donc, euh, ces deux semaines-là, nous allons les mettre à profit euh, pour les former, pour un peu préparer l'événementiel. L'événementiel. Ça marche. Ahmed Ousmane, quelles sont les erreurs à ne pas commettre par un jeune entrepreneur un jeune entrepreneur. Ouais. L'erreur, déjà, c'est, c'est de prendre tout pour acquis. En mhm. fait, il faut euh, comprendre que dans ce domaine-là, tu dois te battre chaque jour que Dieu fait. Chaque jour est un nouveau combat. Ok. Et souvent, euh, je crois, que euh, Origigi sera là pour, pour peut-être témoigner. C'est-à-dire, nos artistes nigériens ou les, les promoteurs, dès que tu, tu fais euh, un truc genre par-ci, par-là, une, deux fois, et que ça prend, tu penses que c'est fini, c'est bon, tu peux aller dormir, le reste va. Non, non, non, non. Donc dans ce domaine-là, il nous faut être tous les jours euh, aptes, prêts et à combattre et à aller au, au front. Donc moi, c'est ce que je te dis. L'erreur, c'est de penser que tout est là, que tu as, euh, tout est là et que tu le prends comme acquis. Non, non, il faut te battre pour ça. Il y a Orujiji qui veut rebondir sur ce que tu viens à l'instant de dire. Alors Orujiji, qu'est-ce que tu veux ajouter Bon, moi je me dis, il n'y a pas d'erreur en événementiel. Il n'y a pas d'erreur en événementiel Il n'y a pas d'erreur. On, eh, apprend toujours. On apprend toujours. Ah, Même Et, et les échecs, aujourd'hui, ne sont pas des échecs, mais des expériences. Ni da kokari, ni da kokari. Manga ah. Boubakar. ni Yadako Kari, ni Kari. L'émission Tous à la Fada, c'est aussi de la bonne musique avec l'artiste Mali Yaro. Et tout de suite, la suite. l'instant, c'était donc euh, Maliaro sur l'émission Tous à la Fada, votre émission consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous discutons sur le thème l'entrepreneuriat des jeunes dans l'événementiel. Comment reçu le secteur au Niger À <coughs> Covid. La Fada a installé d'ailleurs à un événement la foire nigérienne de Griade. Nos invités, Mr. Ahmed Ousmane de Arca Comedy Club, euh, n'est-ce pas Ahmed, tu es toujours présent, j'espère. Je suis là, Dondi. Nous sommes aussi avec euh, Origigi, l'original. Origigi, comment tu vas Bien, bien. Nous sommes avec le président du comité d'organisation de l'élection Miss Niger. Monsieur le président, comment vous allez je vais très très bien, merci. Un président, c'est un président. Et nous avons l'obligation de le respecter. <laughs> Merci. L'événementiel est un secteur très jeune au Niger. Est-ce que événementiel au Niger, on peut dire qu'Agonda à venir Zamdin Kati, Irdi Kati, Borbo Kati, est-ce que est camp événementiel ici au Niger a de l'avenir Au fait, l'événementiel, c'est un secteur vierge aujourd'hui au Niger. Il y a tellement de choses à faire que euh, nous ne sommes pas orientés là-dessus. Quand on prend euh, en termes d'événementiel, il y a l'organisation des événements qui est un volet. Il y a les prestations de services qui sont également un volet. Euh, vous avez la production également d'événements. Vous avez la distribution également. Ce que vous êtes en train de faire, l'enregistrement aujourd'hui, c'est aussi de l'événementiel parce que vous réunissez des jeunes et vous débattez des thèmes, n'est-ce pas Donc tout ça fait partie de l'événementiel. Les foires, les conférences, les ateliers, n'est-ce pas, les défilés de mode, les concours Miss Niger, euh, vous prenez de côté sport, organiser un match de football, c'est aussi de l'événementiel. Mais euh, voilà, donc les gens ignorent déjà euh, l'existence de plusieurs paramètres, de plusieurs volets, où il faudrait venir vers des experts qui sont là aujourd'hui, qui peuvent orienter chacun dans son domaine de prédilection. Voilà. Merci Origigi. nego angana samed ousmane est ce que no misali ga no promoteur no arka comedy club handu kul kulnu ga te han fonu sindu sponsor han fonu sudu ba kikiriti no mantan fono wat kul an ga no wat kul champion no wodira Okay ma est ce que ahmed ousmane ging famanda se est ce que noni diyen ga arka comedy club odin agonda avenir walmo diga gona handu fo yinki hinza naga gayi to ga dai Nous avons nuna kabu 11 mois no ara et 15 mois donc 15 mois banda barkan 15 mois ya ne donc en tout cas l'idée ce n'est pas de s'arrêter maintenant Inch'Allah. Parce que dès le départ, on a tracé notre feuille de route. On sait où on veut aller. Et c'était le plus important pour nous. Euh, Aujourd'hui, malgré les difficultés, c'est comme ce que je dis. Notre public nous suffit. Quand je dis il nous suffit, c'est quoi C'est que ils sont contents de nous. Ils arrivent, à, ils reviennent à chaque fois qu'on euh, organise nos prestations. Irma Odissé, spectacle là. Président du comité d'organisation Miss Niger. Arandi Tale Kulduma en ce qui concerne le social Nikida. Sans dire Sambou événementiel ici au Niger, est-ce que Aranging dit il faut nous gatafar, il faut nous goga bloquer, il faut nous grinang, en kangana, de jeunes entrepreneurs et tout événementiel je pense que euh, l'événementiel a un problème. C'est euh, le public euh, ciblé. Est-ce que ce public-là qu'on a ciblé, est-ce qu'on l'a atteint La jeunesse, c'est notre public cible. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, nous avons sillonné tous les domaines. Nous n'avons pas vu un seul domaine dans lequel on euh, soutient la jeunesse dans ce sens-là. Ces créateurs ont besoin du soutien de la jeunesse. Mais la jeunesse a besoin de plus d'ouverture pour venir vers ces gens-là qui créent des choses pour eux. Malheureusement, jusqu'à preuve du contraire, on ne crée rien pour la jeunesse. La jeunesse est bloquée là où elle est. Même quand vous avez eh, l'intention, vous avez, eh, vous, avez une passion, vous voulez la vivre, vous êtes bloqué quelque part parce qu'il n'y a pas de soutien. L'émission Tous à la Fada, c'est aussi la chronique. Mr. Olivier, nous te souhaitons la bienvenue ici à la Fournie Gris, la foire nigérienne des griades. De quoi s'agit-il Ou disons, de quoi parle le texte aujourd'hui Bonsoir à tous. Dans la chronique de ce soir, où nous nous posons une grosse question. Dans un monde globalisé, comment éviter la contagion des conflits Jusqu'à fin du mois de septembre 2020, tout allait mieux sur les réseaux sociaux au Nigeria. Il a suffi d'un tweet sur la dénonciation des abus policiers pour euh, embraser la toile. Très vite, le mouvement hashtag SARS a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Ce mouvement qui, selon des observateurs, est une déclinaison des mouvements antiracistes comme euh, Black Lives Matter né aux USA, est un effet de mondialisation selon Moussi Moukaila, le président de l'Association des jeunes diplomates et politologues. Une petite nuance pour éviter la confusion dans la tête de nos chers auditeurs et auditrices aux USA, les manifestations étaient pour dénoncer les actes racistes à l'égard des Noirs. Quant au Nigeria, les manifestations dénoncent la violence policière et cela n'a rien à voir avec le racisme. Par contre, la méthodologie de dénonciation reste la même. Utilisation des réseaux sociaux, implication des personnalités publiques, notamment des artistes, chanteurs et acteurs. Et s'en suivra les descentes dans les rues des États. Si la ressemblance est au niveau organisationnel, les causes des manifestations, qu'elles soient nigérianes ou américaines, sont tout de même violentes. Dans un monde aussi mondialisé, comment prévenir les conflits Surtout dans des pays comme le Niger où les priorités sont nombreuses. C'est à cette question que notre invité Moussi Mokaila répond. Le conflit, pour le prévenir, il faut le connaître. Il faut connaître les acteurs qui peuvent euh, enclencher le conflit. Et si vous regardez aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui constitue euh, l'acteur principal du conflit dans nos pays africains. Parce que tout ce qui est manifestation, tout ce qui est violence, tout ce qui est guerre, c'est la jeunesse qui est mobilisée, c'est la jeunesse qui est, euh, qui est devant la scène. Et aujourd'hui, il ne peut jamais y avoir de la tranquillité, de la paix de l'ISIS des États stables. Tant que cette jeunesse n'est pas prise en compte, tant que jeunesse, cette jeunesse n'est pas mise dans ses droits. Fin de cette chronique. Bonne soirée à tous et surtout réclamons avec fermeté mais sans violence. Paix, lumière, amour sur vous. Bye bye. À l'instant, c'était donc la chronique sur l'émission Tous à la Fada. Dernier tour de la table. Alors, monsieur le président du comité d'organisation de Miss Niger, un dernier mot à l'endroit des promoteurs, un dernier mot à l'endroit des jeunes, un dernier mot à l'endroit des spectateurs, un dernier mot à l'endroit aussi de tous ceux qui écoutent cette émission à travers les 45 radios partenaires du studio Calango. Alors merci. Euh, le dernier mot, c'est juste que euh, ces Miss que nous avons réunies autour de nous, ces filles qui ont eu l'audace euh, de vouloir représenter toutes ces régions du Niger, et pour que nous puissions choisir la plus belle femme du Niger, nous n'avons besoin que d'une seule chose, le soutien autour d'elle. Merci, Monsieur le Président. Zaza Mimosa, un mot à l'endroit des promoteurs, un mot à l'endroit des spectateurs, un mot à l'endroit de tous qui peuvent faire en sorte que ça marche, Zaza. <laughs> ok, euh, beaucoup de courage pour eux. Mhm. Et aussi, j'encourage euh, à la population nigérienne, euh, à chaque événement, de de se présenter, de venir acheter les tickets. Merci Zaza. Et pour encourager plus euh, aux promoteurs euh, d'aller plus loin. D'aller plus loin. Merci Zaza Moza. Alors Ahmed Doucement, une seule phrase pour tout le Niger. Oui. Euh, soutenez vos artistes. Ils en ont besoin l'original, en besoin de ton mot de fin. Moi, le dernier mot que j'ai à dire, euh, je vous encourage déjà, vous, Studio Kalangu. Parce que Okarango Gate, Borei, Bonferei Magano Arango Gate, mhm. et Borei Moduga Faham. Comme Matokani Nachi, émission Igoga diffusée, Kauye Kawyera, mhm. Borei Bongaim Bonferi. Wadin Seno, Aigicharan Sekan, Anasim Kangaranga Bay, Association nigérienne des interprètes compositeurs et métier de la musique. Son irna on dit et métier de la, musique. Il faut se Pour borekan si pays, il faut événementiel, irdo. Je ne vais pas dire que nous sommes des experts, mais on est des consultants aujourd'hui en événementiel où on a toutes les solutions possibles pour réussir ton événement. Ah. Donc au niveau de l'anasim daranka, irgaran fahamandi. Anasim wo agono pour faire la formation et pour faire la promotion des artistes. Sano Voilà. neno machino angande bore ginara se ir e pan dir to hinno no sati forum kande sanifo gato nande arando ey